Bienvenue à tous pour cette remise de bourse, ici même à l'hôtel de ville de Dakar, chers étudiants. Monsieur le maire, avec votre permission, nous allons donner la parole sans tarder à Monsieur Falungom, qui est le président de l'Amicale des étudiants de la faculté de médecine. que je prononce aujourd'hui ce discours au nom de l'étudiant de la faculté de médecine, de pharmacie et de neurologie, pour l'occasion qui se présente comme une problème pour l'ensemble des étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et de neurologie, concernant la spécialisation. Parce que comme vous le savez tous, je vous l'ai dit tantôt dans votre bureau, en tout cas beaucoup d'étudiants bien beaucoup de médecins ont vu aujourd'hui le rêve s'éloigner de faute de moyens. Parce que tout simplement, la spécialisation au Sénégal demande de nos coûts que les familles ne peuvent pas supporter pour leurs enfants. Résultat, des étudiants qui sont entrés à la fac avec un objectif, avec un rêve, ont vu cette flamme s'éteindre. Et si aujourd'hui, vous nous permettez, ou bien vous permettez à des étudiants d'avoir une formation de qualité, de devenir des spécialistes, ensuite pouvoir prétendent prendre la santé des populations dakaroises et d'une manière générale de la population sénégalaise. Ça, nous vous en remercions de vivre au nom de l'étudiant de la faculté de médecine de Paris. Par rapport à cette question, je pense que ça fait déjà plus d'une semaine que nous travaillons avec votre cabinet et que je profite de l'occasion pour saluer M. Diaye qui n'a managé au début à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Mais pour des raisons que vous connaissez, la réunion a été annulée et transférée à Dakar, à l'hôtel de ville de Dakar. Donc, pour vous parler de ces bourses, des spécialisations aussi, la santé, c'est une entité. Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens dentistes. Et je que vous entrevoyez en tout cas d'appuyer la santé d'une manière générale. Je suis la, la spécialisation est une entité, mais aussi les formations de recherche à travers le master pour ceux qui ne sont pas médecins aussi en est Nous sommes conscients de votre volonté de construire des hôpitaux dans Dakar. Il faudra avoir des médecins bien formés, mais aussi des biologistes, des laborantins pour pouvoir accompagner le tout. Donc, Monsieur le maire de la ville de Dakar, nous vous demandons en dehors de ces bourses de spécialisation, de pouvoir accompagner l'ensemble du personnel de santé pour que, tout cas, Dakar puisse être le groupe médical tant rêvé. L'amicale de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, dans sa mission, en tout cas annuelle, c'est toujours engagé sur la promotion de l'excellence, ce qui nous permet en tout cas organiser diverses activités, mais aussi aller au fin fond du Sénégal pour assurer à ces communautés-là une semaine des semaines de couverture médicale. Je peux en citer l'exemple de 2020 dans les raisons de Tambacounda, dans, les dans la région de Tambacounda, Tambacounda avec euh, les départements de Makakulibantan et le département de Tambaville. L'édition 2021 dans la région casamanceuse avec les départements de, de Boukling, et tant d'autres. Et à chaque fois, l'étudiant qui est au centre des activités médicales se présente pour sauver des populations, pour aider. Et malheureusement, parfois, c'est l'accompagnement qui fait défaut. Et si aujourd'hui, vous vous êtes engagé à accompagner l'étudiant, ça, nous vous en félicitons vivement. Et aussi, la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie travaille toujours sur la promotion de la faculté, mais aussi de la santé, de l'état de santé du système de santé sénégalais à travers le monde, ce qui nous a valu une affiliation à l'IMSA, qui est l'International Federation of Medical Students in the World. Donc, c'est la fédération des étudiants en médecine dans le monde, qui est une entité directement affiliée à l'ONU et que, à laquelle la faculté, à travers les étudiants, sont travaillés, être affiliés Et que, bientôt, au mois d'août, du 1er août, nous avons une assemblée générale en Istanbul et que les étudiants de la faculté de médecine de pharmacie de l'odontologie seront bien représentés pour la promotion de la santé comme vous y travaillez. Donc sur ce, nous vous remercions très vivement au nom de l'étudiant de la faculté de médecine de pharmacie de l'odontologie. Merci aussi, très chers collègues, pour la mobilisation suite à l'appel de l'amicale des étudiants et que nous croyons qu'aujourd'hui, c'est le début d'une collaboration qui ne serait que fructueuse pour l'étudiant de la faculté de médecine de pharmacie et l'odontologie. Merci à tous. Merci beaucoup à M. Falungom. Je rappelle que c'est le président de l'amicale des étudiants de la faculté de médecine. À présent, nous passons la parole au Dr Meissen, président du collectif des médecins en spécialisation, le COMES. Bonsoir tout le monde. Monsieur le maire de la ville de Dakar, Monsieur Barthélémy Diaz, Monsieur les autorités administratives de la mairie de Dakar, Monsieur le président de l'amicale des étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et de stomatologie, chers distingués invités, chers collègues étudiants, chers collègues médecins. Euh, quand j'ai reçu ce matin l'appel de monsieur le doyen et des autorités de la mairie m'informant de cette initiative, j'ai sursauté. Sursauté parce que, en tant que président du commerce collectif des médecins et spécialisation, notre communauté a été confrontée depuis belle lurette à un problème de moins ou d'accès à la spécialisation au Sénégal. Pour l'année 2021, le commerce compte environ 1700, 1500 docteurs en spécialisation, dont 40% de Sénégalais. Et cette proportion de Sénégalais est due à un ensemble de facteurs parmi lesquels nous pouvons citer, entre autres, le manque de moyens pour faire sa spécialisation, entre frais d'inscription, frais de transport, de loyer et de matériel médicaux. Donc voir une institution comme l'Amérique de Dakar venir Soutenir cette initiative de la spécialisation, c'est une très grande fierté pour nous, le commerce, et nous remercions l'ensemble des autorités de cette mairie, à la tête de Michel le maire, M. Barthélémy nous que vous demandez d'appeler fortement. Donc je peux dire que cette action vient à son heure et nous profitons de l'occasion pour inviter toutes les collectivités territoriales à prendre exemple et à suivre le pas parce que notre pays est encore en deçà des normes en termes de spécialisation spécialiste dans l'ensemble du territoire national. Depuis 2018, il y a les efforts de l'État du Sénégal, mais c'est encore insuffisant. C'est pourquoi nous saluons à sa juste valeur cette initiative et remercions toutes les autorités qui ont facilité la réalisation et disons être prêts aux côtés de la mairie pour l'accompagner dans la réflexion, mais également l'accompagner pour le quinquennat, afin que les bourses de spécialisation soient une facilité pour les Sénégalais qui puissent avoir accès à la spécialisation. Pour finir, je remercie l'ensemble des médecins en spécialisation et toutes les autorités et leur dit la satisfaction du commerce donc, par rapport à Docteur Mbaïsen, vous êtes le président du commerce Nous passons à présent la parole à Monsieur le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Bonjour à tous. Mesdames, Messieurs les adjoints au maire de la ville de Dakar, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux de la ville de Dakar, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, mesdames, messieurs les responsables des organisations étudiantes de la faculté de médecine, de pharmacie et de dento-stomatologie, mesdames, messieurs les journalistes, chers invités. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois en ce jour les étudiants de la faculté de médecine de l'université Cheikh Ante Diop de Dakar cette université, qui est l'une aux exigences de la formation et de la recherche, les parents qui, malgré les aléas, s'investissent énormément quotidiennement pour la réussite de nos jeunes concitoyens. Conscient que les efforts de l'État ne permettent pas à tous les étudiants de bénéficier d'une bourse d'études, Conscient que beaucoup d'étudiants sénégalais se spécialisent pas, faute de moyens, et à titre d'exemple, sur les 276 demandes de bourse de spécialisation de cette année, seules 130, soit un peu moins que la moitié, ont été sélectionnées par l'État. Conscient que ces bourses permettront de soulager financièrement les parents et les étudiants, aux Dakarois et aux Sénégalais en général d'avoir un meilleur accès aux soins de qualité, j'ai décidé d'octroyer au titre de cette année académique 100 bourses aux étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et de dentaire. afin de leur permettre de pouvoir s'affranchir des frais d'inscription pédagogique et de formalités administratives. Ce faisant, en accord avec les autorités, euh, les autorités universitaires, nous pourrons renouveler cet engagement au titre des prochaines années académiques, si ces autorités le désirent bien sûr. Dans le cas contraire, j'inviterai les étudiants concernés à bien vouloir s'approcher de la ville de Dakar. Ainsi, au terme de ma mandature, la ville de Dakar aura contribué au prix de l'État à la spécialisation en médecine, chirurgie, pharmacie et en odonto de 1500 Sénégalais. À cela s'ajoutent 25 permis de conduire. Chers étudiants, je voudrais pour finir vous assurer de ma détermination aux côtés de l'État à vous accompagner. Pour notre part, dans le souci de réduire les inégalités et de notre volonté de capitaliser le capital humain en ramenant l'humain au cœur de nos priorités, de nos urgences et de nos politiques. Chers étudiants de l'université chers Anta de Dakar, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut avoir la version Wolof de votre intervention, s'il vous plaît Tout le monde comprend Wolof dans cette pièce Ah, la version en arabe. waaw avant de dire euh, avant de tout passer en, wolof je voudrais dire ici avec force que lors de la campagne électorale on avait pris l'engagement de réaliser la construction de l'hôpital des Parcelles Assainies un hôpital donc de 200 lits euh, je voudrais aussi euh, informer l'opinion que nous avons décidé, en plus de cet hôpital, de construire sur une assiette foncière de la ville de Dakar un hôpital qui viendra compléter la carte sanitaire de Dakar, qui permettra surtout aux Dakaroises et aux Dakarois d'avoir accès à des soins de qualité, mais à des prix, euh, je dirais, des prix sociaux. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile de pouvoir accepter en tant qu'autorité que des Dakaroises et des Dakarois n'arrivent pas à se soigner faute de moyens. Nous avons pris l'engagement, et j'avais soumettre ce projet au conseil municipal de la ville, d'exploiter une assiette foncière d'un hectare et demi de la ville de Dakar qui va abriter un hôpital. Et sur cette même assiette foncière, il y aura un projet qui va nous permettre de pouvoir euh, accompagner les populations avec une politique sociale qui permettra aux Dakaroises et aux Dakarois de pouvoir se soigner euh, avec les moyens à leur disposition, mais se soigner euh, avec bien sûr la, la, la, qualité, c'est très important pour nous. Et je profite de la même occasion pour informer le public que la ville de Dakar a pris l'engagement de rehausser le plateau sanitaire de l'hôpital Abbas Ndaou et de et de, relancer le centre de dialyse de la ville de Dakar de l'Hépaté 6. Je le redis encore avec force, notre volonté c'est de ramener l'humain au cœur de nos priorités, de nos urgences et de nos politiques. Quand nous mbokk membre du bureau municipal nous euh, sommes conseil municipal ville de Dakar ma responsable de l'université université Cheikh Anta Diop te des étudiants de la faculté de médecine ak euh, de pharmacie et de odonto stomatologie nuyu ñëpp ñu àndal nuyu tamit euh, mbokki journaliste yi ak képp ku ñëw fekk ci tey waxtaan bi xanaa di am te lool euh, di dalal tey étudiant yu bàyyeekoo université Cheikh Anta Diop bàyyeekoo ci faculté de de médecine. de lundi di nuyu de leen di sargal di leen di euh, Université Cheikh comme dama ko waxee référence de fii Afrique de l'Ouest muy université formée à des milliers de jeunes étudiants particulièrement de lundi di former ci santé ci mbir ñu ngi rafetlu taxawaayu état euh, di leen di ñaax ñu gën a góorgóorlu tamit parce que naam dëgg la ñu ngi def seen kéem kàttan ba léegi des na te loolu moo waral tey mairie de Dakar dugal ci loxoom parce que ba ñuy campagne nee nañu lu ñu fas yéene def ñun mooy fësal suñu yéene suñu cofeel ak suñu yërmande ci doomu aadama te loolu moo ko waral comme gis nañ que effectivement état def na lu mu mën wante ba tey des na ay étudiants yuy dem ba doon ay docteur wante suñu paree duñu ñu mën a def benn spécialisation parce que dañuy ñàkk moyen wala seen mbokk yi euh, ñoom tamit duñu am moyen pour mën leen dimbali pour ñu mën a def seen spécialisation ñu ne daal ci suñu xalaat bu gàtt suñu warugar mooy dugal suñu loxo ndax le maximum de docteurs possible ñu mën a am ay bourses mën a def seen spécialisation loolu am na solo ci benn dëkk bu mel ni Dakar am na tamit solo ci askan bu yeewoo biir Dakar parce que tey euh, lu mel ni santé naam dëgg la am na ay problème ci hôpitaux yi wante hôpital tamit lu koy doxal mooy médecin ginnaaw bu ñuy euh, am ay médicaments ak ñoom seen ak équipement médecin mooy tax hôpital mën a nekk hôpital fonctionnel donc euh, loolu ginnaaw bu ma ko waxee ma bëggoon yëgal askan bi que at bi dama décidé ànd ak conseil municipal bu ville de Dakar baaxee étudiant wu université Cheikh Anta Diop ñu ko ci faculté de médecine de pharmacie et de d'odonto

Nous on a fait un travail Pablo, on a fait un avec Yerata Hawaii. Je ne sais pas si vous avez vu Parce que la semaine dernière, nous avons une journée de solidarité. Nous avons fait 10 000 étudiants, universitaires l'université tout Nous avons fait le travail des restaurants. Nous avons fait un la première commande pour 2 500 Parce que la commande globale est de 75 millions d'euros Nous avons fait 72 500 wa université Dakar lan ko bañ jaay ay ticket dañ kay ñaawlu parce que lolu man na ñak ci ci ci dëkk bu ñu bëgg tabax tay nak effectivement cérémonie bi dañ ko doon am fele ci université Cheikh de Diop Dakar lu jottu xew yek na ko te ma kay ñaawlu tamit parce que ñun lu ñuy def ni moy suñu waru gal ñun lu ñen di baxé du suñu alal du ndono bu bàyyee ci suñu ay wajur du yàlla ci mbaaxam moo dogal ñu toog fii ci mairie de Dakar ñu amoon ay kàddu yu ay engagement yuy juróom ak askan bi ba ñu dem ci élection yi loolu lañ ñu bëgg a fësal politique amu ci parce que tey dëkk bi fu mu toll ñëpp a yeewu ku bëgg a politique di nga politique ku bëggul politique kenn du la nga politique ku mu neex nag ànd ak ku ko neex wante wax dëgg yàlla dama gisul lan la ñit mën a namoo ñit di bëgg a jàppale maasam ñi taxaw ko xet jàppale maasam loolu wax dëgg yàlla mën na ñàkk ci dëkk bu bu ñu bëgg a moo tax may sàkku ci responsable yi nekk université nañu gën a góorgóorlu ci seen taxawaay ndax ñu mën a joxante loxo ndax étudiants yi mën ci gis seen bopp Sénégal jëm kanam ñaan yàlla nag ci juróomi at yu ñu yàlla nar baaxee ñu toog fii ci mairie de Dakar dañu fas yéene ànd ci ak état jàppale ci mbiru spécialisation étudiants yu bàyyeeku ci faculté de médecine chirurgie pharmacie ak odonto te su ci yàlla àndee incha allah suñu paree mandat bi lu toll ci mille étudiants dinañ mën a bénéficier wu ci euh, politique sociale boobu yokk rek. Euh, dinañ ci teg tamit ci lu toll ci vingt cinq permis de conduire pour mën a gën a jàppale étudiants yi ma bëggoon tamit su may daanalee mooy dalal xelu étudiants yi euh, wax leen que mën ngeen compter ci mairie de Dakar wax nañ ko ci campagne bi bu ñu toogee ba tey ñu ngi jëgalaat wax ci nee nañu suñu yéene mooy sargal doomu aadama mooy yëkkati doomu aadama mooy jàppale doomu aadama ba doomu aadama mën a gis bopp ci li di mairie de Dakar ba ëllëg mairie de Dakar mën a nekk lu ñu ñëpp di xaar ci mairie de Dakar mu nekk benn institution buy lu tubaab bi wooyee réduire les inégalités mu am lu am solo ak institution bu mën a euh, valoriser le capital euh, humain mooy delloo njukkal doomu aadama donc. Euh,

les allocutions que vous avez eues aujourd'hui avec, je rappelle, M. Falun le docteur Baïsen et le maire de la ville de Dakar. Je vais demander aux étudiants, si vous avez des questions, on vous oriente vers le docteur Baïsen, ici, voilà, juste à côté du maire, pour des informations complémentaires. C'est bien ça. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser. s'il vous plaît. Ah, bon, donc, monsieur, d'accord, donc, monsieur Tchermodiaï, euh, j'ai bien compris, nous allons terminer ce travail au niveau de la fac. Comme j'ai déjà dit, je n'ai pas pu me déplacer aujourd'hui au niveau de l'université euh, pour des raisons assez particulières, mais ce n'est pas important. Donc euh, la convention se trouve actuellement entre les mains des autorités universitaires et j'invite ces autorités universitaires à faire preuve de responsabilité dans l'intérêt de ces étudiants qui, je reste convaincu, ont un potentiel demain à mettre à la disposition du peuple sénégalais et bien sûr du monde entier. Merci chères étudiantes, merci chers étudiants et je vous souhaite une excellente fin de journée et une très bonne continuation à vous. Merci.